nous avons mené une étude euh, sur le profil épidémiologique de nos patients. Cette étude s'est étalée sur huit mois, d'octobre 2018 en juin 2019. Suite à cette étude, nous avons enregistré 113 cas euh, avec 11 euh, pathologies différentes. De ces cas, 35 patients souffrent de la dépression, avec un taux de 39,55%. En ce qui concerne euh, le niveau national, euh, je ne pense pas s'il y a eu des études en amont sur le plan national euh, en ce qui concerne cette pathologie-là. Donc, vu les chiffres que je viens de vous annoncer tout à l'heure, nous pouvons sans nul doute confirmer que la dépression est une réalité au Niger